ci la lépp nekk yàlla lim ñu may ci suuf la nekk doomu aadama sax suuf la ko bindee kon li jóge ci suuf si suñ ko transformé te li ci ëpp solo loolu laay wax rek mooy fexe ba nit ki mën a jaay production am ci dara am ci dara gis nga baykat américain bala moo bay am na contrat mu ko

ci l'État les les démembrements de l'État sont là muy chambre de commerce chambre de commerce démembrement de l'État du du structure privée beneen bi mooy yeneen acteurs yëpp ñàkkul sax nga xam ne koy topp pour Sénégal ak. Oui, oui, c'est vrai, parce que on produit bien emballé, le prix peut évoluer de 1, c'est-à-dire 10 fois. Ça peut coûter 100 francs avec l'emballage non traité et 1000 francs avec un bon emballage. Ça c'était.

accompagner ay nit gis ni am nañ courage am nañ jom am nañ fulla muy tax ñuy mën a demal seen bopp kuy kuy jéem moo nekk accompagner et merci beaucoup félicitations félicitations bon ja jaayoon na ma ay crêpes <laughs> bon oui ah, mais xoolal est-ce que la peau va voilà culturel alimentaire et cosmétique du Sénégal depuis 2013. Et cette euh, année, grâce à Lyon, parce qu'on vraiment on remercie Lyon, parce que vu les problèmes politiques actuellement au Sénégal, on a eu du mal. On est venu à la dernière minute. Et euh, franchement, grâce à Maïmouna, juste le fait de parler avec elle, elle nous a ouvert sa porte, elle nous a fait venir ici rapidement, parce que sans, moi, moi, je considère que le salon de la culture, sans le Sénégal, franchement c'est pas le salon de la culture. Même jusqu'au Tchèque, les, les, Ivoiriens viennent jusqu'ici et, là, on souhaite que l'ULO et nos partenaires nous accompagnent chaque fois. Voilà, si mon boulot passe. Parce que <laughs> c'est mon frère de Donc, du coup, c'est ça. Donc là, il a demandé de l'Union. Voilà. nous me remercie l'Union. Bon, bon, bon, bon, bon. Voilà, nous me remercie l'Union pour participation. C'est grâce à l'Union. Mon nom l'a donné.

En fait, je voulais justement mettre là et vous à gauche. À ah, voilà, excusez-moi. En alimentaire, en cosmétique, au Chili, au Milan, euh, dernièrement, à Naples, une baisse, mais une vidéo, parce qu'on n'a pas eu le temps, par exemple, si on est 4 mois, on a juste pare en représentation sénégalaise cette année incha allah au mois de mai. incha allah merci beaucoup. Ah, en tout cas gën la féliciter rek vraiment parce que ku la xam-xam ne ak votre dynamique et je pense que ci au niveau des tour hein. qu'on a fait des reportages depuis très très longtemps, tout au début. Hein. Donc vous pouvez le trouver sur la page IK News, vraiment au minimum 5 ans ou 4 ans, je ne sais même plus. voilà, Donc tout bravo et bonne, bonne continuation. Hein. Merci.